Les auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au forum de la presse du studio Kalangou de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage sur les faits saillants en marqué l'actualité de la semaine. Et cette euh, semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont D'abord, euh, la célébration de la fête euh, de Tabaski ou Eid el-Kebir. Ensuite, nous reviendrons sur euh, l'adoption par l'Assemblée nationale le jeudi 22 juin dernier de la loi modifiant l'article 1er de la Constitution du 25 novembre 2010 intégrant le texte du nouvel hymne national, l'honneur de la patrie en remplacement de la nigérienne. Enfin, nous terminerons avec du sport et ce sera pour parler de la suite de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, Cannes U23 débutée le 24 juin dernier au Maroc et qui se poursuit. Le Niger a déjà enregistré 4 points lors de ses deux premiers matchs euh, par rapport donc à cette euh, Cannes U23. Et pour euh, analyser ces principaux faits, j'ai le plaisir de recevoir nos confrères Sidikou Ousmane, journaliste indépendant, Abokiari Aremi, journaliste à la radio alternative, et Husseini Issa Jibo, journaliste indépendant également à la modération du Forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Dj. Nous débutons le forum de la presse de ce soir avec de la religion. La Oumma islamique du Niger a célébré mercredi dernier la fête de l'Eid al-Adha ou fête de Tabaski, un grand moment de prière, de pardon, de sacrifice et de partage, cette fête qui est célébrée le dixième jour euh, du dernier mois du calendrier lunaire est en commémoration du sacrifice du prophète Abraham. À l'occasion de cette fête, le Conseil islamique du Niger a, dans un communiqué qui a annoncé sa date de célébration au Niger, souhaité bonne fête à tous les musulmans du Niger et appelé à œuvrer pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger. Des vœux également formulés par de nombreuses personnes à l'occasion de cette fête de Tabaski. Ousmane Sidikou, dans quel contexte est intervenue cette euh, fête euh, de Tabaski au Niger Merci. Occasion pour nous de présenter nos voeux de bonne fête à toute la Oumma islamique, une fête euh, célébrée dans la communion des cœurs et des esprits. Vous l'avez si bien dit, fête de pardon, mais surtout de partage. La fête, même si nous l'avons célébrée et continuons de la célébrer tranquillement ici. Euh, occasion pour nous d'avoir cette pensée aux frères qui sont en proie à cette euh, insécurité, à ces FDS qui, de nuit comme de jour, pour la préservation de l'intégrité du territoire et la protection des vies des personnes et de leurs biens, nous ne pouvons que leur rendre ce hommage, dire que nous sommes du cœur et des esprits. Cette fête, nous aurions voulu, à travers les différents messages cela se matérialise dans les actes des uns et des autres, dans tous les pans de la vie socio-économique de notre pays, à travers les acteurs. Il faudrait que cette communion se ressente pour la consolidation de la paix qui nous est si chère, pour la consolidation euh, de la cohésion sociale, comme l'a si bien dit euh, une de nos autorités, la paix que nous voulons pour le Niger, nous la désirons pour le reste du monde, mais nous la désirons davantage pour notre pays qui en a tant grandement besoin. Donc j'en appelle aux différents acteurs politiques, culturels, euh, vraiment à faire front commun pour que euh, cette paix se matérialise dans nos actes. Ça ne sert à rien de claironner sur tous les toits, ça ne sert à rien de crier euh, à tue-tête la paix, la paix, mais euh, la paix, comme l'a si bien dit un illustre président africain. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il faudrait que cette mhm. paix se traduise véritablement à travers les actes de L'ancien président ivoirien, il faut donc promouvoir le vivre ensemble à Comment cette fête a été célébrée Quand on parle de cette fête de Tabaski, on, pense euh, à beaucoup de choses, euh, dont euh, l'animal qu'il y a lieu de sacrifier pour ceux qui ont les moyens. Est-ce que cette année, ces animaux, et en particulier le mouton, qui est mm. beaucoup plus sollicité, étaient à la portée de toutes euh, les bourses euh, pour les consommateurs nigériens. Euh, mm. À la portée, certainement, c'est trop dire. Mm-hmm. parce que moi, la moyenne que j'ai vue pour un mouton moyen, c'est autour de 5000 francs CFA. Mm-hmm. je crois que c'est un peu encore trop pour le commun du Nigérien. Mm. parce que 5000 000 francs, c'est certainement au moins 50% des salariés du Niger qui ne sont pas au-delà mhm. euh, de ce montant. Ça fait presque euh, trois fois le SMIC. Hein. Voilà, ça fait trois fois le SMIC. Mhm. Et euh, pouvoir payer le mouton pour un travailleur ordinaire qui ne vit que de son travail, ça reste un challenge. Mhm. néanmoins, on se connaît tous, on se donne les moyens de garantir euh, ce sacrifice euh, euh, de notre religion, <coughs> n'est-ce pas, ce sacrifice annuel. Mm. donc, sinon, en termes de disponibilité, ce que j'ai vu, je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des moutons. Mm. moi, le jour, la veille de la fête, j'étais à l'extérieur de la ville, donc quand j'ai rentré, j'étais impressionné par le nombre de moutons mm. qu'il y avait sur les sites de vente, mais aussi qui entraient vraiment chargés par des camions. C'est extraordinaire. Donc c'est disponible. Mmh. Autrement dit, euh, un peu le, euh, les, commerçants, entre guillemets, vraiment qu'on dit véreux, essaient de prendre le dessus. Et donc le prix qu'ils fixent est vraiment euh, au-delà de ce que ça doit être. Parce que pour fixer un prix, tu as un prix d'achat, le prix euh, de transport, le prix de la prise en charge si tu l'as acheté, et tu fais, tu additionnes et tu mets un bénéfice là-dessus. Mais au vu de ce qu'on a, euh, parce que si tu as de l'argent, le premier prix, prix qu'on te fixe et le prix auquel tu achètes, l'écart est souvent très grand. Mmh. moi, je pense que euh, comme ce qu'on demande généralement à la veille de la fête, en fait pendant le ramadan, les musulmans parce que ceux qui vendent aussi, c'est des musulmans. Mhm. Euh, oui, c'est bien de pouvoir vraiment manger euh, grâce à son commerce et tout, mais il ne faut pas vouloir euh, exagérer. Mhm. La preuve qu'il y a des invendus, autrement dit, l'obligation de gorger un, tout le monde l'assume, mais si tu veux faire deux ou trois, le prix tend du dissuade. Et donc, vaut mieux vouloir vendre plusieurs que de vendre un seul et ramener l'autre à l'année prochaine. On ne sait pas qui va voir l'année prochaine ou pas. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est un des aspects. Et moi, je pense que les Nigériens commencent à mettre le, contexte, l'exigeant, mm. euh, la pauvreté, pauvreté, ambiante, mais aussi le réalisme, euh, j'ai vu tant prôné même par les gouvernants fait que je n'ai pas vu, par exemple, beaucoup de volailles mhm. cette fois-ci. Il n'y avait pas presque pas de volailles, alors que la, pour les repas de fête avant. Oui, pour le repas de fête, les gens préparaient, oui, mhm. de, la volaille, mhm. puis ils égorgeaient le jour de la fête parce que la distribution de la viande de la fête se fait. Parce qu'avant, certains partageaient le repas dans la matinée. Maintenant, c'est beaucoup plus le partage de la viande. De la viande qui, a, qui a préoccupé. Je crois que aussi les actions euh, des religieux parce que euh, les réseaux sociaux aidants, beaucoup de marabouts se sont mis à attirer l'attention euh, des uns et des autres pour dire que même le partage, en fait, c'est aux nécessités d'abord qu'il faut donner, mhm. n'est-ce pas Ce n'est pas l'appel que ton voisin, ton voisin, tu lui amènes, lui aussi il t'amène presque la même quantité. Mhm. Bon, euh, oui, c'est bien, vous avez peut-être échangé, mais ce n'est pas d'échanger qu'il s'agit, mhm. il s'agit de donner. Ou le tiers, ou la moitié de ces Les moyens voilà. Et ceux-là, euh, souvent, ils viennent d'eux-mêmes. Ils mhm. tapent à la porte pour demander. Et dans le quartier, on sait qui n'est pas à mesure de le faire, qui n'a mhm. pas. Et dans la discrétion aussi, pour que les enfants, d'abord, ne s'effacent pas des, histoires entre eux, pour pouvoir partager. Donc, moi, je pense que euh, ça vient. Il y a quelques années, un ami mauritanien me dit que nous, on met beaucoup de, euh, beaucoup d'accent sur vraiment euh, les accoutés, c'est-à-dire les accoutrements, les, le fait d'avoir le plus gros mouton du quartier. Il mm. dit, eux, ils ont dépassé ça. Je crois que nous aussi, on tend vers ça, ce qui est une très bonne chose. Il mm-hmm. s'agit, on est en compétition en avec personne. Il s'agit de pratiquer notre religion qui nous demande si nous avons les moyens de le faire et donc de le faire vraiment à la hauteur de ce qu'on peut. Et j'ai vu, il y en a vraiment qui se sont contentés de juste de, dégorger parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils doivent aussi mettre de la viande à la disposition de leur famille. Je trouve que ça, ça évolue et les sensibilisations aussi, euh, ça marche. ça, c'est le côté aussi positif des réseaux sociaux, même si souvent on ne voit que la perversion. Bon, c'est des aspects qui comptent parce que n'importe qui qui a accès peut voir euh, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, comment le partage doit se faire. Mhm. Tout ça. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, oui, à l'occasion de, de chaque fête, on se souhaite la bonne fête, mhm. on demande pardon et tout. Malheureusement, on recommence. Normalement, si on demande pardon à quelqu'un, pour une fois, la prochaine fois, on ne doit pas commettre les mêmes erreurs. Mhm. Et donc, par exemple, pour la paix, pour le tout qu'on demande, là, vraiment, pour, on doit ça doit être un comportement, comme Koula a, eu à le dire. Mhm. Vraiment, ça ne doit pas être juste pour les besoins de la cause. Ah, que Dieu nous pardonne, on œuvre pour la paix alors qu'on n'agit pas pour ça. Mhm. Non, il faut que, ce soit de corps et d'esprit que nous nous jetons vraiment dans le mhm. fleuve de la paix. Il faut donc euh, continuer à apprendre dans ce domaine-là. Hussein Issa, c'est vrai, il a parlé des réseaux sociaux, il y a des solutions alternatives hein, à l'utilisation du bois. Tabaski écolo, comme ont eu à l'appeler certains promoteurs. Qu'est-ce que ça a donné cette année Quel est le constat par rapport à ces solutions alternatives euh, à l'utilisation du bois dans un pays où les chiffres montrent qu'on perd 100 000 hectares de terre chaque année. Mhm. Oui. on peut déjà dire qu'il y a une nette évolution ces dernières années, n'est-ce pas Parce mhm. qu'à l'époque, tout le monde était au bois. Mhm. Pratiquement tout le monde était au bois, n'est-ce pas Surtout à Niamey, puisqu'il y a des zones où on ne fait pas la grillade. Bien évidemment, mhm. mais partout aujourd'hui on fait, les gens, mhm. ils ont appris l'habitude, ils ont eu l'habitude, ils ont mhm. appris à faire aussi, parce que souvent, oui, dans beaucoup de localités, oui. Depuis, dans plus, euh, il y a des régions où on ne faisait pas ça du tout à l'époque. On égorgeait à Difa, oui, mais c'est parti progressivement, les ah. gens, et tout le monde imite, quoi, l'effet d'imitation, tout ça, tout le monde. Mais aujourd'hui, avec le charbon, non seulement c'est économique, tout le monde s'est mis au charbon ça pollue moins. Surtout le charbon minéral, puisque le, charbon, quand c'est fait à base ah, ah, euh, du bois, c'est la même chose. Euh. Oui, non, les gens ne se jettent pas sur le charbon minéral. Les gens ont eu des expériences malheureuses, <laughs> malheureusement. On dit que, ça ne s'allume pas bien. sûr, non, <laughs> parce que c'est mal préparé. Il y a quelqu'un qui m'a mm. expliqué. Tu sais qu'on met dans les sacs pour vendre, n'est pas la meilleure qualité, parce que la mm. meilleure qualité, ça prend rapidement. Il me dit ça, tu peux pratiquement passer une journée avant de pouvoir l'allumer. Ah, bah oui, bien sûr il y a des qualités qui sont encore c'est commun, Il m'a expliqué mhm. que c'est pas. oui, on en produit. Même cette fois-ci, on en a vendu. Euh, Mais les gens c'est une production pas locale euh, parce pour une grande partie. Hein. Parce qu'il ne faut, il faut pas perdre de vue que c'est une affaire d'une journée. Mhm. Du matin jusqu'à début d'après-midi, fin d'après-midi, n'est-ce pas, pour pouvoir mhm. évacuer. C'est pour ça que les gens sont toujours au charbon traditionnel, là, n'est-ce pas Bon, je ne sais pas d'où ça provient. Ça provient un peu d'ici, mais également des pays côtiers. Il y a beaucoup de pays côtiers, ça fait longtemps. Même la cuisine, ils font ça au charbon. Hein. Mhm. Le plus souvent, dans toutes les familles, tu vas trouver des fourneaux. C'est plus économique. C'est mhm. plus économique. Et puis bon, mais c'est économique et puis c'est rapide. De mhm. plus en plus, les gens, ils ont cessé de, de, comment dire, et de, prendre le bois. Mais la seule chose qui reste maintenant, c'est que les fourches, les, les fourches hautes, forcément, les gens vont rester au bois tant qu'on ne trouve pas un mécanisme, n'est-ce pas pour pouvoir changer ça. Et tant qu'on va rester dans ce système avec toujours mhm. du bois, mhm. quand ça va, il faut recourir au bois, c'est que ça va. Il y a une autre solution alternative, c'est de planter un arbre à chaque euh, tabaski pour chaque mouton sacrifié. il y a des gens qui ont euh, mis ça en statut pour ah, dire ah. qu'ils s'engagent pour cela. que le, mm. problème, moi je dis, le fait de planter un arbre n'est pas tout. Mm. Quand on plante un arbre, il faut aussi. voilà, parce qu'on mm-hmm. on peut planter aujourd'hui et puis l'abandonner au bout d'une semaine. <laughs> L'arbre va <laughs> calciner mhm. sous le soleil. Mhm. Alors, quand tu plantes un arbre, il faut l'entretenir. C'est un travail de longue haleine. Mhm. Malheureusement, c'est ça qui manque à tous les niveaux. On voit bien sur les voies publiques, même souvent, on vient, on met des arbres, on plante des arbres. Mais on ne vient pas les arroger régulièrement. Au bout d'un certain temps, les animaux euh, qui divaguent viennent, ils, broutent mhm. ces, plantes-là et puis ça fait que ça ne marche pas, n'est-ce pas mhm. Il y a cette volonté, ou du moins, il y a ce, comment on appelle ça, cet engagement, mais c'est verbal, ça c'est limite à ça. Moi, je me rappelle, euh, toujours, j'ai fait, comment dire, référence à ce que Sankara est parvenu à faire, un village en bois, mhm. qui a été formidable un village en bois, il est parvenu à faire faire aux paysans des petits, des, bosquets, des, partout dans les villages. Et ça a favorisé, comment dirais-je, les précipitations. Mmh. Et Ici, malheureusement, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe C'est du slogan, c'est la politique. Alors que c'est des choses concrètes. Ousmane Sidoukou, cette fête est célébrée dans un contexte où nous avons une quinzaine de milliers de pèlerins nigériens en terre sainte de l'islam. En tout cas, selon le Coro qui a animé euh, un point de presse euh, le samedi 24, les 294 pèlerins qui étaient là et euh, avec lesquels il y avait des inquiétudes ont pu être convoyés en terre sainte. Donc, selon en tout cas le Coho, tout se passait bien. Euh, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ne peut pas faire un bilan euh, définitif puisqu'il y a également l'étape euh, du retour qu'il faut très bientôt donc commencer. Mais globalement, quel mot analyse avez-vous à ce sujet eh, Vous savez, certes, il n'est pas opportun d'en faire un bilan, mais mm. euh, il est loisible de constater que euh, mm. ce sont les mêmes causes qui sont en train de produire les mêmes effets, mm. c'est-à-dire les mêmes travers. Moi, ce que euh, je dénonce personnellement, l'expérience, c'est quoi C'est la somme de nos horaires. Les raison sous-jacente de la création de cette institution, c'est pour que nos pèlerins cessent de subir les dubois auxquels ils font face à chaque euh, édition du Hajj. Or, on constate à l'épreuve des faits que chaque fois, on veut bien, on veut bien nous faire quoi qu'il y a une amélioration, mais il n'en mm. est rien. C'est bon, mais c'est pas encore arrivé, comme mm. dirait l'autre. Mais je mm-hmm. pense que, honnêtement parlant, avant euh, l'édition prochaine, il faudrait qu'on crée le cadre, qu'on situe les responsabilités mhm. et qu'on mette chacun devant ses responsabilités. kids mhm. du coho, des, des, agences de voyage, des pèlerins. Moi, je pense qu'il faudrait créer le cadre, crever l'abcès. On ne peut pas continuer à revivre les mêmes cauchemars, les mêmes, les mêmes, les, les, les mêmes déboires, mhm. les mêmes impairs inhérents à, au, Hajj. On doit s'inspirer trouver les mécanismes à travers lesquels au moins que les, les, déboires soient atténués d'édition en édition pour ne pas euh, continuer à revivre euh, mm-hmm. les mêmes choses. Mais je pense qu'à l'heure du bilan, euh, peut-être qu'on va créer ce cadre-là, créer l'abcès, situer les responsabilités, mettre chacun devant ses responsabilités et qu'éventuellement éventuellement chacun s'assume pour que vraiment le, les... cesse mm-hmm. cessent de subir ce mm-hmm. qu'ils sont en train de subir. Pour que donc on enregistre plus de progrès. Euh, il dit que ce n'est pas arrivé, c'est-à-dire qu'on peut, on peut faire mieux, c'est ce qu'il estime. Mais est-ce qu'il y a des aspects euh, par rapport, par exemple, aux conditions d'hébergement, euh, le transport au lieu du Hajj, la restauration, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut dire mhm. Bon, il paraît que ce n'est pas aussi grave que ça. Mhm. Toujours est-il que il serait bien qu'on n'ait pas absolument de problème, que notre âge vraiment soit le plus sécurisé possible. Mhm. Mhm. Je vous dis que il y a quelques années, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Nigériens, on ne peut même pas compter, qui viennent prendre le départ du Niger. Mhm. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Nigériens qui ont les moyens préfèrent même prendre le vol Air France, contourner, aller en Arabie Saoudite, faire leur pèlerinage et reprendre le même trajet pour venir c'est possible. C'est de cela qu'il s'agit. Et de veiller, ce n'est pas le COHO, c'est une institution normalement permanente. Mm. Ils doivent en permanence veiller à ce que chaque année s'améliore, que ça soit meilleur, nettement meilleur que l'année passée, passée, Donc c'est la même chose. Maintenant, dès qu'ils reviennent, ils font le bilan et ils font le plan d'action pour 2024. C'est de cela qu'il s'agit. Et je pense que c'est possible. Mhm. C'est possible. Parce que celui qui va partir l'année prochaine, il est en train de se préparer déjà. Mhm. N'est-ce pas Il dit que bon, je dois mettre tel, tel, tel montant. Euh, d'ici euh, six mois, je dois totaliser mon argent et verser mes frais de déplacement. Et donc, de quoi il s'agit Et aller réserver là où il faut les meilleurs hôtels, les meilleures places, les meilleurs euh, moyens de déplacement pour les Nigériens. Merci beaucoup, on vous avez bien compris, ça Est-ce que vous ah, avez d'autres éléments Il faut dire qu'il y a eu à la date du samedi 24, 5 décès, 3 à Médine et 2 à la Mecque. Mhm. on a vu comment... Il a parlé de ah ça, on mais... On a vu sur les réseaux sociaux encore des Burkinabés venir déloger mhm. des, pèlerins nigériens qui disent que... On ne sait pas c'est quelle nationalité, c'est sur les réseaux sociaux, on a vu... Bon, y tout ça des... pose un sérieux mhm. problème. Moi, j'ai dit quelque part, il y a une espèce d'arnaque. Tout à l'heure, l'avionneur, tout le monde sait c'est qu'est avionneur. Mhm. Pourquoi, si ce n'est pas la politique, on va continuer à maintenir la personne L'hébergement, c'est. Ça, c'est le transport. Hein. Oui, ça, le volet transport. Mhm. Mais cette fois-ci, cette année, il y a un autre problème qui est venu s'écriver l'obtention du visa où des chefs d'agence n'ont mhm. pas pu prendre les visas à Tout ça, là, ça ne devait pas Selon le Coro, on a l'impression qu'il y a une solution qui a été trouvée par rapport à ça. Oui, parce mais que le, problème, le Coro le monsieur qui a paye, rassuré que... qui paye 3 millions et quelques là, il ne paye pas pour aller faire simplement 10 jours ou 7 jours mhm. ou une semaine. Il a payé pour les 45 ou les 30 jours là, ou tout au plus 25 jours. Alors, mhm. il a payé cet argent-là, ça va aller dans des poches parce qu'il n'a pas vu le nombre de temps qu'il devait faire sur place. Mhm. Alors, pourquoi on a pris le même montant avec lui que celui qui est parti deux semaines auparavant. Alors, ça n'a aucun sens. À partir du moment où le gars, la personne, les pèlerins qui vont précisément à la dernière minute, qui ont juste le temps même de débarquer pour faire juste les rites et puis euh, euh, revenir. Moi, je dis quelque part, on doit pouvoir les rembourser parce qu'on leur a pris les mêmes montants que ceux qui mhm. sont allés. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Nous allons donc euh, passer. On a mhm. tellement de politique dans l'affaire qu'on peut pas. On peut régler ce problème-là. Vraiment, à partir d'une édition, si on décide l'année d'après, on décide d'arranger pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses, moi je suis convaincu que ça va s'arrêter. Mhm. Voilà, c'est donc euh, votre souhait que le manquement s'arrête donc et on que on puisse euh, arriver à un niveau qui permet une meilleure euh, organisation du Hajj au Niger. Et nous allons à présent passer au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Le Parlement nigérien a adopté le 22 juin dernier le nouvel hymne national du Niger. Euh, il s'appelle L'honneur de la patrie. Ce hymne national vient donc euh, remplacer la nigérienne. Le vote du projet avait recueilli 149 voix pour, 0 contre et 0 abstention. C'est donc un vote euh, unanime. Ousmane Sidikou, qu'est-ce qui a motivé les autorités à procéder à ce changement de l'hymne national, la nigérienne, euh, qui avait été utilisée depuis l'indépendance, hein, mais l'adoption même en tant qu'hymne national, euh, c'était en 1961. Vous savez, euh, ce nouvel hymne-là, pour beaucoup, la rupture d'avec l'ancien, c'est mm-hmm. pour vraiment cesser d'être sous ce paternalisme-là tant mm-hmm. décrié et qui pour beaucoup, est loin de refléter plusieurs de nos valeurs. Mmh. Mais il se trouve que moi, je, à mon corps défendant, je constate à l'épreuve de fait que le nouvel hymne n'est pas aussi loin que l'ancien. Mmh. Primo, je trouve qu'il est long moins long que l'ancien. Bon, moins long, mais il, reste, long quand même. Il reste hein. long, mais même si il, y a, il y a un travail sémantique, on euh, trouve les mots peut-être moins faciles. Absolument, ça c'est mhm. un. De deux, euh, maintenant, euh, il ne faudrait pas que nous retombions dans les mêmes, je dirais, travers ou interprétations d'avec l'ancien. Mhm. Tout ça, je pense il vous est arrivé euh, d'être à l'extérieur ou même euh, sur le territoire national, hum. il faudrait que je ne sais pas si ça vous est arrivé cette chair de poule-là, quand on hum. entend euh, votre hymne, hum. ça doit éveiller en vous c'est certain patriotisme. C'est ce qui a été recherché, on dit il faut vraiment un hymne qui galvanise. Absolument. Mais est-ce c'est le cas pour l'hymne qui a été adopté le 22 juin Je reste dubitatif, encore défendant. C'est pourquoi mhm. je pense que euh, ça doit être revu. On va me dire que c'est mhm. le travail d'un comité. Euh, avec Puisque respect dans la deuxième strophe, on rend hommage euh, aux aïeux pour leur fait, courage à intrépide qu'ils ont été. Tout à fait. Ça, ben, puisque ça ne, ça ne, figurait pas dans l'ancien Absolument. Maintenant, on a beau rendu hommage, on a beau mhm. faire ressentir ce sentiment de redevabilité-là, il faudrait que cela se traduise dans nos actes et ce, premier lieu des gouvernants. Aujourd'hui, on peut chanter, on peut vouloir changer euh, à tout bout de champ d'hymne, mais il faudrait que cela se matérialise, il faut que cela soit reflété mhm. dans nos comportements de tous les jours et mhm. cela à tous les niveaux. Mhm. Donc moi je pense que euh, c'est vrai, il est encore trop tôt de, tirer des conclusions hâtives, mais moi je pense qu'on doit se donner les moyens pour que l'on sente véritablement à, à, rien qu'à l'entonnant, euh, qu'on sente qu'il y a cette nette différence-là, il y a cette démarcation nette mhm. d'avec euh, l'ancien. Moi, je pense que c'est un travail qui doit être fait et que euh, vraiment nous fondons l'espoir mhm. pour que nous constations cette démarcation nette avec mhm. l'ancien là et que cela, j'insiste je, là-dessus, se matérialise dans les faits et que cela reflète davantage de valeurs qui nous sont si chères. Mmh. Abou il a justement parlé du paternisme, certains ont parlé euh, d'infiodation vis-à-vis de la France, parce qu'il y a justement un vers là où on dit soyons fiers et reconnaissants. Alors à ce niveau, on pense que, cette reconnaissance, euh, certains disaient que c'est à l'endroit de la France, et à ce niveau, on rappelle que... Euh, voilà. Mhm. mais moi, avec le nouvel hymne, mon problème, c'est que je le trouve euh, sincèrement euh, fade. Mhm. Euh, c'est-à-dire léger. Et on dirait que des parties des textes ont été racolées pour il mhm. essayer. Oui, vers la fin où on dit restons debout. il y a debout qui revient, mais en fait, c'est là où on incite au travail. Hein, c'est-à-dire, un, mhm. du point de vue musical, j'ai trouvé ça sincèrement nul. du point de vue poétique, je ne trouve pas les refrains que je veux. Parce que c'est quoi l'objectif en changeant mhm. Est-ce que c'est changer pour changer Je ne pense pas. Parce qu'on a tous euh, une dent un peu contre l'ancien hymne, n'est-ce pas, qui réfère euh, au paternalisme du colonisateur, mhm. n'est-ce pas Ça, c'est aujourd'hui, il est grand temps. Nous, on n'a pas connu la colonisation, nous n'avons pas été colonisés. On ne veut pas que ça apparaisse dans nos textes. OK. Mais Comment Parce que ça nous a été un peu parachuté, un, cheveu vraiment dans la soupe. Euh, est-ce que les Nigériens, on n'a pas amené les Nigériens à travailler pour leur hymne À part les 146 députés et ceux qui ont travaillé le texte, peut-être qui ont fait la mise en musique, sincèrement, du point de vue musical, l'ancien est nettement meilleur. Cet aspect, à mon avis, ça n'a pas été travailler. Mmh. Et il faut le retravailler. Oui, l'Assemblée l'a voté. Et j'espère qu'il y a possibilité encore de retoucher. Travaillons, retravaillons, prenons en compte le contexte actuel. Quelles sont les difficultés Par exemple, quelque chose comme la démocratie. Aujourd'hui, euh, ça fait 30 ans qu'on se, voit, qu'on se bat pour tu ne vois pas ça dans le nouveau texte. Plus de 30 ans, oui. Euh, dans le nouveau, il y a la promotion de la paix, la justice. C'est extrêmement important. Tout ça, ça figure. Euh, il y a aussi, dans la première strophe, on rappelle que tous les euh, Nigériens sont des frères, puisque c'est de façon poétique qu'on dit frères et sœurs, nous sommes l'attaque au début. L'attaque, je n'ai pas aimé ça, moi. je viens de Difa, mhm. n'est-ce pas et on dit du confin du mhm. fleuve Niger. Oui, c'est vrai. on parle des rives. On a l'impression que tout une Niger, oui, au confin. C'est une situation géographique, du Niger qui est présentée. On doit éviter ça. Parce que le premier Niger qui figure dans l'hymne, ça fait référence au fleuve. Et ensuite, on amène le deuxième Niger qui est, on dit, euh, nourri de la même sève. oui, parce que euh, chacun doit se sentir concerné. Le Niger. Mhm. Chacun doit se sentir concerné. On ne doit pas faire des références euh, euh, vraiment euh, géographique. Mhm. Sauf, par exemple, on a le mont Gréboun, mhm. n'est-ce pas, et qu'on veut élever quelque chose au-delà du mont oui, mais puisqu'en géographie, on, ne peut pas parler de Justement, toutes les Justement, c'est de ne pas utiliser, mhm. c'est de ne pas prendre. Et parfois, on a envie de... dire quelque chose. D'ailleurs, euh, celui qui a trouvé ça que c'est long, eh bien, il faut couper ça et jeter. Par exemple, mhm. moi je pense que, mais au fond, vraiment, il y a un travail euh, artistique, mhm. n'est-ce pas, mais aussi du point de vue émotionnel mhm. et contextuel à faire. Autrement, vraiment, il y a beaucoup à reprendre dans ce team là Et je pense que euh, ceux qui nous écoutent, euh, ceux qui décident aussi en savent quelque chose. On ne peut pas s'arrêter à ça. Et la mise en musique, pardon, il faut changer. D'abord, merci, voilà. merci à C'est vrai, quand euh, la nouvelle euh, a été entendue, il y a eu beaucoup d'appréciation il y a eu des critiques. Mais il faut rappeler que c'est un comité qui a été mis en place euh, qui date de décembre 2019. Et selon le comité, c'est des Nigériens qui ont écrit, puisqu'il y a eu. d'accord. Des candidatures. Il y a eu 38 candidatures au début. Après, on est allé à 7, ensuite 3. Et c'est finalement. Oui, mais ce que j'aurais voulu, c'est d'ouvrir. Mhm. C'est d'ouvrir on aurait, il y a eu, il y a une journée parlementaire, il y a la CAGI à l'Assemblée nationale euh, qui a essayé de ça aurait pu circuler au niveau mhm. des, structures socioprofessionnelles. Par exemple, les médias, on n'a jamais vu ça. On mhm. aurait pu donner notre point de vue. Les régions, les villages. Les experts, les, on, estime qu'ils viennent de tous les horizons. Vous, savez, il y a deux façons de faire. Il y a deux euh, façons de faire. C'est dans un contexte. Une seule mhm. personne peut écrire suite à une, inspiration mhm. vraiment monstre, ça marche. Mhm. Sinon, il faut vraiment une large consultation. Parce que c'est extrêmement important. Hein. Mhm. Depuis, on a cette constitution, mais on a un seul hymne jusque-là. Voyez-vous, comme quoi c'est quelque chose vraiment de 62 ans. Donc c'est quelque chose de pérenne. Un cas, les Algériens, ils viennent de remettre trois vers. Mhm. dans leur hymne national mhm. et ça parle dans le monde entier mhm. parce que ça remet en cause justement l'ancien colonisateur. Avant, on ne jouait l'entièreté qu'au président de la République. Maintenant, ils disent qu'ils remettent tout sur la planche et même aux sportifs, à tout le monde, c'est même le même hymne national qu'on doit jouer. On doit être dans ce contexte. Et c'est facile à apprendre parce que quand ça te parle, en une, deux lectures, tu assimiles. Quand ça ne te parle pas, ça ne te dit rien, tu ne vois pas apprendre. Mais l'hymne-là, est-ce que ça ne parle pas aux citoyens Non, moi je pense qu'il y a mhm. quelque chose qui manque. En tout cas, euh, ça ne pique pas. Mais pourquoi ça n'a pas été modifié jusqu'à son adoption et bientôt sa promulgation peut-être puisqu'à l'heure actuelle non euh, je pense que je pense qu'il y a moyen oui il faut il faut parce que malgré l'adoption à mon mhm. avis qu'il y a moyen de, de retoucher mhm. oui c'est à dire que puisqu'il y a eu des journées une journée parlementaire au moins plusieurs rencontres il y a eu également pas suffisant. le niveau c'est pas suffisant de la CAGI euh, moi je mhm. suis même pas au courant qu'il y a par exemple eu moi j'ai appris cette, cette histoire j'ai connu je connais cette ce hymne-là le jour où ça a été adopté. Or, je ne suis mhm. pas le Nigérien le moins informé. Mhm. OK Donc, il y a des écoles, il y a tout. Essayez avec des enfants, voir qu'est-ce que ça leur donne, parce qu'ils ont mhm. leur mot à dire. Vraiment, dans les régions, dans les villages, essayez de faire jouer la fanfare, tout ça. Merci, beaucoup il faut rappeler que la Nigérienne euh, est l'œuvre euh, d'un compositeur français. Son nom, c'est Maurice Albert Thierry. on va donc, euh, si l'hymne est retenu, promulgué et on commence à l'exécuter, il va falloir dire donc au revoir à la Nigérienne. L'Assemblée nationale a, procédé à ce vote avec. 149 voix pour, 0 abstention, 0 contre. C'était donc un vote euh, unanime et ça répond à l'article 174 de la Constitution qui exige 4 sur 5 des députés composant l'Assemblée nationale pour réussir à modifier la Constitution. Puisque si on n'a pas obtenu les 4 sur 5, c'est-à-dire 80% des députés, la Constitution exige un référendum pour que les citoyens puissent se prononcer de façon directe sur le projet en question. Est-ce qu'on peut dire que l'opposition a adhéré à ce changement d'hymne national Moi, je veux. Moi, tu sais, il y a des, représentations, figuration. Mm. Figuration. Moi, je considère que cette chambre-là, c'est de la figuration, il faut. Parce que tout ce que le gouvernement introduit, ils vont faire. Moi, je vais te parler un peu de la genèse. C'était dans quel contexte politique qu'on avait décidé de changer ligne Et quelle lecture il faut faire alors des députés de l'opposition qui ont mais, Même si les députés de l'opposition critiquent, est-ce que ça ne va pas passer Mais ils ont voté mais, pour. même ont voté. C'est important le vote contre parce que. Non, mais non, moi je vais dire une chose. Moi je vais dire une chose. Hein n'est pas parce qu'il y a un Parlement qu'on ne peut pas consulter de temps en temps les citoyens. Ce mhm. C'est pas parce qu'il y a des députés de l'opposition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Nigériens qui ne se retrouvent pas à travers cette Assemblée nationale. n'est-ce pas Parce qu'ils sentent que l'Assemblée nationale n'est pas là pour aider, pour défendre les intérêts des citoyens à la base, n'est-ce pas alors, moi, je vais aller dans le contexte où ce changement-là a été décidé. On était dans la deuxième, dans le la deuxième mandature de Issouf Mahmoud ou Renaissance culturelle. Mhm. Vers Les gens sont allés fouiller. Ah, c'est un Français qui a écrit un colon. Et il y a deux vers, soyons fiers et de notre liberté. Vous savez ça, mais ce n'était pas la première fois. On se rappelle qu'en 89, il y a un comité qui avait été mis en place. Laisse tomber. Et on est parti sur cette base-là. Mhm. Il, fallait, il fallait modifier. Finalement, on a abandonné l'option de la modification pour carrément proposer une nouvelle ligne n'est-ce pas mm. Depuis, le comité a été mis en place, machin, on ne sait pas comment ils ont travaillé de 2019 jusqu'à jusqu'à avant-hier, seulement de, ben, quand on a dit, ah, ça a été adopté. Mm. Les citoyens n'étaient pas, moi je pensais même que ce comité s'est disloqué, que c'est fini, quoi. Alors... Parce qu'il y a ah, eu ah, justement. Oui, pour faire un mm. Alors, ce que je vais dire, ok, c'est une nouvelle hymne, et puis bon, <laughs> la, la rythmique, un peu la chanson, les gens ont l'impression que c'est une chanson qu'on connaît déjà, n'est-ce pas ça, déjà, c'est un facteur du déjà, entendu, n'est-ce pas mm-hmm. C'est un facteur répulsif. Et, <laughs> comment veut dire les références géographiques Non, si on veut faire des références géographiques, le tal le tal ça se trouve de l'autre côté, n'est-ce pas mm. Alors, pourquoi ne pas mettre, si on veut faire les 4.4 du cardinaux, on devait pouvoir mettre ça dedans. Mm-hmm. On parle des rives du fleuve Niger au confins des Ténéré. Non, ça, ça c'est une Alors, le Ténéré, c'est le nord. Alors, je vais pratiquement, je vais revenir. On dit, ah, c'est un colon qui a écrit, on ne doit pas se ressentir dedans parce qu'il y a une espèce de, de condescendance vis-à-vis des, colons. Alors, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui comme politique, est-ce que ce n'est pas même une soumission vis-à-vis de, l'ex-colonisateur Alors, on change un hymne, On fait venir des troupes pour dire ceux qui vont assurer notre sécurité. Où la fierté pour l'honneur de la patrie quand on pose un nom comme l'a dit Arimi, ça veut dire que on veut véritablement être autonome, indépendant. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'est Quand c'est carrément les autorités qui défendent les intérêts de l'ex-colonie, n'est-ce pas Sur le plan non seulement économique, mais même sur le plan diplomatique dans la sous-région, n'est-ce pas On se met en conflit pratiquement avec des pays voisins alors qu'on a les mêmes problèmes. Alors, où est la pertinence alors, dis-moi où est la pertinence de, de, changer ce thème-là Merci, Ousseinissa, on vous a bien compris. Est-ce que vous avez un mot à dire euh, par rapport au vote Moi, je euh, pense que c'est de prendre vraiment en compte les, mhm. avis des uns et des autres. Et surtout quand vous regardez, même euh, pour beaucoup les spécialistes, ils ont, ils, ont, ils ont fait des remarques et des remarques assez objectives. Moi, je pense que les, doivent prendre, les gens doivent prendre sur eux, prendre en compte toutes ces critiques pour que vraiment nous sentions cette démarcation nette avec euh, l'ancien hymne, avec tout ce qu'il y est inhérent comme paternalisme, comme soumission et, que sais-je encore. Moi, je pense que franchement, euh, ils doivent revoir leur copie pour que euh, chacun se retrouve. Merci. Nous terminons le forum de la presse euh, de ce soir avec euh, du sport euh, débuté le 24 juin dernier pour prendre fin le 8 juillet prochain. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, Cannes U23, se poursuit au Maroc après son match nul contre les Pharaons d'Égypte, tenant du titre pour sa première sortie dans le groupe B des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations U23 à Tanger, le MENA du Niger euh, a battu les Panthères du Gabon mercredi soir au stade euh, Batuta de Tanger. Ce deuxième match gagné par euh, les Poulets de Zakaria Ibrahim donne 3 points de plus au Niger qui se retrouve actuellement avec 4 points. Il faut donc un point au Niger s'il arrive à gagner ce point il va pouvoir donc euh, passer au stade euh, supérieur. Aboukiaga Rémi, que faut-il comprendre de cette euh, victoire du MENA U23 face à l'équipe gabonaise Merci. Il ne faut pas se le cacher, c'est certainement le ventre mou de du, du, groupe. Les gens s'attendaient à ce que le Mali et l'Égypte passent, et que le Niger et le Gabon hum n'est-ce pas, soit troisième et quatrième. Hmm. Euh, donc que le Niger batte, ça c'est déjà une très bonne chose. Ce qui a surpris les gens, c'est surtout le nul contre l'Égypte, qui est hmm. champion en titre euh, de la catégorie, hmm. n'est-ce pas, il y a quatre ans. Et donc, euh, du coup, le MENA est craint, est, perçu comme le trouble fait de l'affaire parce que le Mali qui, que d'aucuns voyaient aussi comme leader, l'un des leaders du groupe, n'est-ce pas, à pêcher face à l'Égypte, mm. euh, un but euh, à zéro. Et donc le Mali n'a que trois points. Mm. Ce qui est un peu difficile et qui sera un match extrêmement difficile, le prochain match du MENA. Ce sera le euh, samedi sera soir. Le samedi soir. Donc on a beaucoup de chance, mais le Mali va venir prêt, malheureusement pour nous. Moi, j'avais dès le tirage, j'avais souhaité match euh, contre le Gabon en dernière position, par exemple. Euh, on va faire quelque chose contre les deux leaders et puis on trouve le Gabon. Et là encore, j'avais voulu une victoire du, Mali contre l'Égypte. Donc un Mali déjà qualifié qu'on va croiser en finale. Et là, on va faire vraiment un jeu égal entre voisins, entre frères de l'Afrique de l'Ouest, tranquillement pour jouer. Mais là, mais je connais Zakariao. Ce bonhomme a quand même éliminer le Soudan, éliminer la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, pour nous qualifier. Il a tenu en échec, je dirais, l'Égypte 1-1. 0-0. Hum. Aujourd'hui, on a battu le Gabon. Il faut reconnaître à César ce qui lui appartient. C'est lui qui a préparé l'équipe. C'est lui qui est allé en, acclimatation avec l'équipe. C'est lui qui conduit l'équipe. Aujourd'hui, vraiment, il faut euh, croire à une symbiose entre lui et ses joueurs qu'il connaît très bien. Pour la petite histoire, c'est quelqu'un que je connais. J'ai suivi Zakariaou depuis 2005. J'étais avec eux à Tripoli. Cheikh Omar Diabaté était son principal. Mais en réalité, pour qui voit de près le comportement de, deux, il était au Sahel 14 Club et déjà, c'était quelqu'un qui avait de la, suite, de la, de la, vision dans le jeu. Donc j'espère qu'il va leur tendre le piège qu'il faut ça Dans tous les cas, c'est une affaire de complexe. Quand il développe un complexe par rapport, et je ne vois pas ces joueurs-là de complexer. Mhm. Ils jouent vraiment de manière, ils savent qu'ils sont là pour jouer. Et ils sont là pour battre, moi je considère qu'ils vont faire le travail nécessaire. On a vu la dernière fois la progression qu'ils ont eu à faire. Moi je dis à partir du moment où c'est avec deux pieds qu'on joue, mhm. on court tous derrière le même ballon. Alors, mhm. Mais pourquoi je vais laisser Parce que l'autre, on l'a vanté, on dit que... machin. Non, moi, je peux, je peux, On a montré que c'est possible, n'est-ce mhm. pas On a vu de plus en plus les, grandes équipes, les grandes nations de foot sont en train de péricliter. Mhm. Des nouvelles euh, comment nations sont en train d'émerger. Moi, je dis, c'est une question de. On a toujours développé le complexe quand on apprend qu'on va jouer avec. Tu viens sur le terrain avec déjà le moral dans les talons. Mhm. Alors, il faut éviter ça. Il faut éviter. Moi, je pense mhm. qu'ils vont pas. Ils vont jouer, ils vont monter sur le terrain. Quoi qu'on dise de mhm. l'équipe malienne, moi, je dis ils peuvent tenir un échec ou ils peuvent carrément battre l'équipe malienne. Je ne l'exclus pas. Mais il faut gagner, puisque quand on gagne. Euh, non, mais même s'ils tiennent un échec, ils peuvent gagner. parce que quand on le match nul, euh, parfois vers la fin, il y a des surprises. C'est pas parce que l'entraîneur malien est sorti faire son show. Mhm. Il faut pour jouer la victoire. pour la dit, mais bien sûr, mhm. l'idéal, c'est, de gagner. Ce mhm. C'est pas pour faire un match nul. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est quand ils vont monter sur le terrain, de la même manière, ils ont joué sans complexe avec l'Égypte. De la même manière, ils vont jouer sans complexe mhm. avec, euh, comment dire, il est plus facile encore de jouer avec quelqu'un qui a la même peau que toi mhm. que de jouer avec ces Arabes-là qui, même le contact ah, souvent. Alors, mhm. moi, vraiment, je n'ai pas d'appréhension par rapport au prochain match qu'ils vont jouer et je leur souhaite bonne chance. Bonne chance dans cette compétition. Est-ce qu'on peut espérer avoir euh, la Coupe euh, Mais pourquoi pas pour une première fois. Mais attends, deux objectifs pour uh-huh. euh, ce tournoi. Il faut d'abord euh, remporter le tournoi. Uh-huh. et ça, on devient premier. On a la coupe, on a l'enveloppe qui va avec et tout. Uh-huh. Mais aussi, il faut être parmi les trois premiers pour pouvoir se qualifier à la phase finale des Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024. En été 2024. Euh, et ça, ça semble motiver plus les gens que même le titre. Et donc, ça passe par ce match-là contre le Mali qu'on doit nécessairement gagner samedi. Mhm. Ousmane Sidiko, pour terminer, euh, euh, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire euh, justement pour arriver à cet espoir souhaité Ce qu'il y a lieu de faire, c'est ce qui a été fait. C'est de faire chorus derrière ces jeunes-là qui mhm. sont en train de vraiment nous donner toutes les raisons d'être, de continuer davantage à être fiers d'eux. D'ailleurs, Arimi l'a si bien dit, nous étions le petit poussé du groupe, secondo d'avoir tenu la dragée haute au mhm. champion en titre et d'avoir battu le Gabon même s'il n'est pas loin d'être le petit poussé du groupe, maintenant, maintenant c'est cette victoire impérative face à cette équipe du Mali dont vraiment ils ont le vent en poupe. Mais moi je suis convaincu d'une chose, on va continuer à y croire comme nous l'avions toujours cru, impossible et loin d'être nigérien. Mhm. Et plaise à Dieu, euh, tout le peuple sera et continuera à être derrière ces jeunes braves-là. Euh, en premier chef, euh, le, maestro Zakaria pour qui nous avons de profond respect, une profonde estime. Donc vraiment, c'est de les accompagner avec toutes nos prières et plaise à Dieu. Euh, la, réussite sera au bout de le faire à travers une victoire de notre pays face au Mali. Bonne chance donc euh, au MENA U23. Le match contre le Mali, c'est donc euh, samedi soir. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à nos invités, Ousmane Sidikou, journaliste indépendant, Aboukiari Arimi, journaliste à la radio alternative, et Hussein Issajibo, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Abdoulaye Yakouba et Seyni Saka. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à toutes et à tous et bonsoir.